La première fois qu'on m'a amené au tripano pour me faire soigner, il y avait même des gens qui me fuyaient. Mais maintenant, Dieu merci. Les médecins se sont bien occupés de moi et je suis aujourd'hui bien guérie. Et c'est après ma guérison que j'ai mis au monde tous mes enfants.